8 mars, journée internationale des droits des femmes. C'est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Au Sénégal, l'État a pris cette problématique à bras le corps. En 2010, le pays promulgue la loi sur la parité. Désormais, la moitié des candidats de chaque parti politique doivent être des femmes. Au Sénégal où nous sommes, c'est l'un des pays qui a permis à la femme d'avoir des droits. Le droit de garder déjà son nom de famille. Moi, je, viens d'un pays que pendant longtemps, on disait Madame Tan, Mais au Sénégal, la femme avait le droit de garder son nom de famille. La femme avait le droit de, militer en tant que politicienne et même parmi nos pays, le Sénégal était l'un des premiers pays à avoir une, un premier ministre femme. Donc, au Sénégal, les femmes, euh, elles sont battantes, les femmes, elles sont. Euh, il y, a beaucoup d'avancées. Une femme qui vit seule, qui n'a pas de mari, c'est vu encore dans nos sociétés comme une femme euh, facile. C'est tous ces droits-là qui restent parce qu'elle a le droit à la vie. Et bon, comme je dis toujours, la femme, c'est l'aimée de Dieu. Cependant, quels sont les axes d'amélioration Quelles actions concrètes pouvons-nous entreprendre afin de promouvoir l'égalité des sexes et le rôle de l'éducation dans tout ça. Autant de questions qui méritent des réponses. Pourquoi la femme doit manifester son droit le plus légitime jub liggéey jàppale seen bopp te bañ a dépendre ci kenn jàppale seen jëkkër yi jàppale seen yaay ak seen papa yi parce que toog yorewul dara toog doo doo jàpp ci dara weer bu dee nga làmb sa poos fajal sa bopp loolu dara dàqu waaw. président Macky Sall ñoo lay ñaan nga def tout ba ñun jigéen ñi ñu yëg suñu bopp ci pays ñi yëg suñu bopp sax mais ñu yëg suñu bopp bu baax baax. parce que ñun bu ñu yëgee suñu bopp rek réew mi neex na jigéen làmb poosam faj defar lu mu bëgg mu defaral ko moom loolu dara dàqu ko comme financièrement nga jàppale ministre de la femme ñu ngi nga gën ñoo jàppale ñu jigéen ñu yëg suñu bopp ci réew mi bu baax a baax loolu boo ñu ci jàppale woon président Macky Sall ñoo ngi lay ñaan nga jàppale ñu si bu baax a baax ndax ñun ñu yëg suñu bopp ci réew mi ñoo ngi yëg mais tuuti tuuti. di wëññi suñu bopp ñoo ngi nii dañuy yeewu six heures du matin la ñuy yeewu yóbbu suñu doom yi ñu jàng yow liggéey liggéey jàppale suñu jëkkër yi bu ñu demee dañuy togg dañuy def lépp mais suñu sañoo tey nga gën a ñu financièrement nga gën ñoo jàppale bu fekkee ay projet ñu jàppale suñu bopp tamit ci yu baree bare bare bare soppite am na ñun tey suñu yaay yi ngi nekkoon ci kër yi toog di togg di def yenn yi mais ñun léegi ñu ngi am fit di jug di liggéey di jàppale suñu bopp di jàppale suñu yaay ak suñu jëkkër yi lool rek soppite la